L'année où j'ai rejoint la troupe, celui-là que vous voyez est mon petit frère. Il était déjà acteur de la troupe. J'ai retrouvé également Koitegyo et Terezi. Ce sont les trois que j'ai retrouvés au sein de la troupe. Donc je suis le quatrième. Nous étions ensemble et nous composons des chansons. Un jour, un chef de service de l'animation de la jeunesse qui s'appelle Isaka Tondi, qui était affecté de Tilaberi à Gaïa, nous a trouvés en train de chanter, de danser. Et du coup, il nous dit qu'il voudrait que nous réalisions un ballet en nous expliquant le scénario. C'est ainsi que Mefilafili a été notre premier ballet. Sa danse est connue de tous. C'est une danse que l'on appelle Kamaganga, une danse que maîtrise tout descendant de pêcheurs. Par la suite, avec Télézé, qui est l'animateur, nous avons continué. C'est ainsi que nous avons réalisé le ballet Changa. Pendant cette période dont je vous parle, tous les chefs de service de l'administration venaient nous encadrer. Ils observent le déroulement et à la fin, ils font des remarques, des observations et des propositions. Au juste, euh, le ballet Changa que vous avez réalisé. Nous avons entendu un langage dont on dit que c'était un langage propre au Tchanga. Que disait l'acteur sur la scène Oui, en fait, le jeu dans ce ballet, c'est l'intronisation d'un chef Tchanga. Alors, il était en train de faire des éloges au chef en langage Tchanga. Peux-tu me faire euh, une phrase en langue Tchanga Il n'y a pas de problème. Traduis-moi ce que tu viens de dire. Alors, j'ai dit, je te salue, comment vas-tu Tu vas bien, toi et ta famille est-ce que maintenant il y a une relève qui poursuit ces activités Quelle est la différence entre vous et ces jeunes <laughs> Notre temps et leur temps, il y a une grande différence, même par l'accoutrement utilisé. Nous, nous utilisons le vestimentaire d'autrefois, relatif au thème, et les acteurs d'aujourd'hui ne portent pas de l'importance à cet aspect culturel. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les choses sont faites euh, non seulement avec précipitation, mais aussi sans une profonde recherche. Nous, nous avons bénéficié de plusieurs formations sur comment faire une recherche. India et moi, bien que nous n'avons pas été à l'école, nous savons comment le faire. Un exemple pour le chant. Le chant avec cantatrice et de chœur qui répond, nous l'avons dénommé le chant blanc et le chant cantonné par tous jusqu'à la fin, nous l'avons nommé chant chapelet. Il y a aussi un chant par couplet que nous appelons le chant uniformisé. Et tous ces noms, nous les avons définis lors de notre formation pour que chacun comprenne quel type de chant il a composé. Mais je vous dis, le chant chapelet est le plus consistant euh, que tous les autres types de chansons. valer comme ce